jëf bu rafet bu jara naw bo xamantene ne fay encourager ñep ñi di enseignant yi ñi di élève yi waye tam parents d'élèves yi sax ba tax na ñaan ci turu yalla ndax mu gën ko yok doole mon mon ak katan ak xel ñaan bile ñaanal ñëpp donc vraiment tay dafa nek bëss bo xamné ne bésum la ci commune u Ndiagañaaw ci parents yi parce que li ñu def yépp ñun lañ ko défal parce que suñu doom la vraiment ñi ñaan aussi parents yi ngeen gën a góorgóorlu ci élèves yi parce que li tay lu rëy rëy la tay bu ngeen xol table yépp suñu doom yi ñoko mom moom te kenn indiwu ko lu dul madame la maire donc war nañ ko mëna ñaanal mo bëgg ñun ñëpp ñu do taccu ko tàcc ko bu baax yàlla may ko wér guddal fanam di la ñaanal aussi loo mën ren yàlla na la ko yàlla dubleel nga mën lu ko ëpp parce que taloo toog sax ci maire bi rien ko dem di wuti di indi donc yàlla na la yàlla may wér yombalal la li ngay xëcc di indi parce que ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp gis nañ ko chaque jour ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla yokk la ba fi nga bëgg a yóbbu commune bi yàlla jàppale la nga yóbbu ko fa yaak ñi nga àndal ñëpp messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, monsieur le chef de village de Botte-Escale, messieurs les enseignants de tous bords, chers parents, chers camarades, honorables invités, nous voilà encore une fois réunis en cette cérémonie solennelle pour célébrer l'excellence. Il s'agit pour nous de la promotion des vertus du travail, du mérite et de l'effort élevé à le plus haut niveau dans la société. C'est inscrit la quête constante et permanente de la qualité au cœur de toutes ces initiatives allant dans le sens des performances du système. Mesdames et messieurs, mes camarades élèves qui sont présents à ce jour mémorable selon, sont les témoins de ce que l'école peut apporter. Chaque élève a un talent, l'école doit lui permettre de le cultiver de le faire croire pour lui permettre d'atteindre l'excellence. Chers lauréats et lauréates, avec moi, rendons un vibrant hommage et des remerciements honorables à l'endroit de Madame le maire pour service rendu à l'école sénégalaise. En cette journée mémorable, nous encourageons nos camarades élèves à poursuivre leur rêve avec détermination et à cultiver la passion de l'apprentissage dans nos différentes écoles. Félicitations au Leroya et que cette cérémonie inspire un engagement continu vers l'excellence éducative dans notre belle commune. Chers enseignants, nous sommes fiers de vous. Madame le maire, nous exprimons notre profonde gratitude pour cette belle initiative. Merci infiniment. Vive le Sénégal. Vive la commune de Ma voix est d'autant plus grande que cette cérémonie sacre et consacre l'excellence à tout point de vue. Soyez vraiment remerciés des distinctions que vous allez remettre aux primés. Distinctions que nous ne considérons nullement comme des trophées, mais plutôt comme une source de motivation à faire un Parce que nous sommes dans un monde de compétition intellectuelle où l'élève doit chercher à s'intuler au firmament de l'excellence. Ces prix multiplieront nos degrés d'engagement à chaque fois que nos yeux se poseront sur eux. Nous sommes jeunes, donc nous sommes le Sénégal de demain. Et toute taxe ou toute action tendra à forger notre éducation et la bienvenue. Pascal Nikini dit, je cite, le domaine de l'éducation est pour toute société la prière angulaire de la construction de son avenir. L'éducation traduit les tendances et les options présentes dans la société et en même temps, elle constitue un processus de projection dans le futur. Fin de citation. Être jeune, c'est être, avoir de l'ambition, avoir le désir de toujours progresser, progresser dans l'excellence et la dépasser pour arriver à la précellence. C'est ce dont le Sénégal a besoin aujourd'hui, demain et toujours d'ailleurs. Je vous remercie. Madame le maire, Monsieur l'inspecteur, monsieur le chef de village, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers récipiendaires, distingués invités. L'excellence de l'art oratoire de la fille du vizir va non seulement la sauver, mais aussi sauver des centaines de filles en même temps. L'excellence. Le mot est lâché. Comment définir ce qui a permis de sauver une vie Quelle place donner à un synonyme de perfection Surtout, comment cultiver cette denrée dans un cadre scolaire Reviennent parmi les définitions proposées par le Robert des mots comme finesse, perfection, supériorité. Chers élèves, l'excellence est un degré imminent de qualité qu'une personne atteint dans le domaine qui est le sien. Du latin excellentia, l'excellence est une supériorité, une expertise avérée vers où chaque élève doit tendre. Ces quelques témoignages d'Ulysse personnage sur l'excellence en disent long. Ainsi, pour Vincent Van Gogh, l'excellence ne résulte pas d'une impulsion isolée, mais d'une succession de petits événements qui sont réunis. Il a raison, chers élèves, car dans votre parcours scolaire, dans votre parcours scolaire, vous n'avez pas le droit de négliger une matière par rapport à une autre. C'est cet ensemble de petits bons résultats dans vos différentes disciplines qui vont au finish faire la grande différence. Aristote va dire, l'excellence est un art gagné par l'entraînement et l'accoutumance. C'est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant, car nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Aristote nous montre la voie à suivre, car loin de relever du génie ou de l'inspiration, l'excellence est un feu constant sous la pluie et le vent qu'il faut maintenir rougeoyant par une perpétuelle transpiration et un effort inlassable. Chers élèves, dans la solitude de votre conscience, travaillez dur et en silence. Laissez le succès faire le bruit. Cérémonie donc du cérémonie bu cérémonie bu parce que man mii di en 1989 j'étais ici en train d'être primé à l'occasion je crois de Saint-Herblain où je me fi fait à l'époque et si ma mémoire est bonne depuis que j'ai ba nëga cérémonie bu toll nii ak bu mel fi donc je vous bu Je madame le maire et j'ouvre foofu une parenthèse parce que nous ma fi di wax waxi politique parce que kenn xamewu ma politique mais nag wax dëgg si madame la maire lu nit gumba gumba gumba gumba war na mën reconnaître que Ndiagañaaw ñor na la te ñun a moo ñu ñor tant que a ngi ci démarche bi di ko doxale comme ni chef de village récent, sànq dëkk di daw di wuti di indi ci sa dëkk mais ñun ñi dëkk ci dëkk bi buñu goré war la mëna délo ñukal je ne suis toutefois maintenant d'aucun bord sama bord, c'est c'est un ci honneur bi ma def di wax ci parents d'élèves et occasion le au sortir de certainement cette cérémonie pour ñu mëna dajalé l'ensemble des parents d'élèves toute école confondue pour mener créer cette association là parce que ba léegi amaguñ un bureau au niveau local pour xamanténi jataay yu mel ni bu amee parent d'élèves yi ñu mën ci sant kenn mu wax ci turu tout le monde donc ma doon wax ne tey jii xale yi bés bi seen bés la parent d'élèves yi ku ci nekk fa nga féete soo sañoon tey jii sa doom dina bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy primé parce que wax naa ko tout à l'heure man mii di wax ak yéen jaar naa ci Et je peux vous assurer que ne ay jamono la yoo xamante ni dafay rester ci mémoire xale bi diko gungé, diko gungé, diko gunge di inshallah gunge ba keroog muy doon jariñ la. donc c'est extrêmement important tay ji madame le maire li nga xamante def nako ko parce que cérémonie bu transversale D'abord, jëmele ko ci walu enseignant yi tey cérémonie moy mooy firndeel

donc wax dëgg si yàlla delloo leen njukkeel ci jamono yu melni lu mënul ñak la té lu nécessaire la donc félicitations à vous. le maire amna gis-gis bu tollu ni jël tout ce matériel la buñ ko doon évaluer tay ji ñaata million la. def ko ci suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu xalé yi ngir gën leen mëna mën ci seen walu liggéey njàng ak seen tayu xam-xam mais dans véritablement mais également parents d'élèves monsieur le chef du village monsieur le coordonnateur des CODEC c'est-à-dire le collectif des directeurs d'école mesdames messieurs les chefs d'établissement et les directeurs d'école messieurs les chefs de service ici présents, mesdames, messieurs les enseignants, honorables invités, chers élèves, la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves communément appelée Fête de l'Excellence vise à promouvoir l'excellence et la saine émulation parmi les élèves je voudrais, à l'entame de mes propos, affirmer avec beaucoup de sincérité ma satisfaction par rapport à l'organisation de cette journée. Je profite de cette occasion pour féliciter du fond du cœur Madame le maire de la commune de Ndiaganyao et toute son équipe, de même que le comité d'organisation pour tous les efforts consentis pour l'organisation réussie de cette belle fête. C'est un événement important dans l'agenda scolaire et s'accompagne presque toujours d'une alerte en direction de la communauté éducative dans son ensemble à travers un thème suite à un diagnostic de la situation générale de l'école pour améliorer la qualité des interventions. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le discours de M. Tchao tout à l'heure. C'est une occasion pour récompenser les meilleurs élèves. Merci Madame le maire d'associer tous les ordres d'enseignement, de l'élémentaire au secondaire en passant par le moins et la formation professionnelle, car ils sont tous des enfants de la commune. La commune de a riche de bons résultats dans les différents examens scolaires. Je peux citer l'exemple de l'année dernière, en 2023, où la commune de Diagagnao a eu globalement au CFE un taux de réussite de 81,27%. Et au BFM, un taux de 66,23%. Euh, Ces performances justifie amplement ma présence aujourd'hui à cette cérémonie, malgré notre calendrier très chargé, comme il l'a tantôt dit. Puisque la vie extrascolaire est aussi déterminante dans la réussite de l'élève, un élève qui n'est pas suivi, qui ne fait pas régulièrement ses exercices, qui n'étudie pas en dehors des heures de classe, aura du mal à réussir à l'école. Ainsi, j'invite les parents à plus d'efforts dans l'encadrement des enfants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer notre gratitude à l'endroit de tous les acteurs et partenaires de l'école, et particulièrement à Madame la maire pour son soutien constant dans la prise en charge de nos missions. Je félicite également les lauréats et les équipes pédagogiques qui les ont encadrés et qui les

nga xam moy mooy kilifa bi togal ministre département de Mbour tek ci nuyo bi ki nga xam moy chef de village bu Escale Mansour Ngom te mu dalal ñu fi tay tek ci ki nga xam moy mooy monsieur Ndiouma Ndiaye jité chef de village wu commune Ndiaganiao ak département de Mbour di nuyu aussi imam yi fi teew am ku fi tewal imam Dramé ak mon père le curé ñu lay nuyu mon père dila la jox sa way di nuyu ñi nga xam ñoy ñooy au maire yi ñu ngi fi également madame la secrétaire municipale maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne mooy conseillers yi di nuyu codec yi ak ko codec di nuyu am ñi may beral nuyoo nag mooy les enseignants et les directeurs d'école vraiment tàccul leen bu baax a baax di nuyu également ñi nga xam ne parents d'élèves yi maître Sey waxal leen sànq parents d'élèves yi yaayu élèves yi ak papay élèves yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu képp ku fi teew bañ fàtte kenn mais nag am na ñu may beral ni yoo ay xale yi élèves yi xale yi nuyu naa leen nangeen ngeen def waaw kay yéen tey yéen yéen xew xewle yéen a moom bés bi kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waaw kay xale yi ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp j'espère que bàyyi ma kenn tey di wax rek euh, mbégte bu ñu boole tey mais il faut mu nuyu Samba mention spéciale Samba Sène je pense enseignant yëpp xam nañ ko nga xam ne moo yore construction scolaire ci département bi fépp fu ñuy tabax saal ci école yi ci commune bi moo fay ñëw moo fay indi entrepreneur yi moo moom lay jokkool ñu xool équipe yu soxla vraiment Samba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier Euh, dinañ ko defal nak témoignage IF parce que sa agent la waye nag mom taxawayam dafa mat seuk parce que tout le temps mu ngi njagañaaw tàyyiwu ci dara di dem di ñew di topoto suñuy école kon nak kok il faut ñu sargal ko bu ko defé di nuyuwaat bu baax parents d'élèves yi moy yaayu xalé yi ak papa yi xalé yi li tax ma leen di nuyu xeyna tay bu démé ba sen dom yi ñu ne ràññee nañ leen ci école yi yeen am ngeen ci walu bu baaxa baax parce que xalé man na joggé école do ko né demal jang ci leçon bu boobaa xëy na du mokkal parce que leçon école da ngay bind rek il faut nga dem kër ga nga dem jàng sa leçon comme ça suba boo demee école nga réciter mën a mokkal mën a am moyen bu baax loolu la élève di def kon nag ngeen gën leen gunge gën leen jàppale xale yi gën a gën a mën a góorgóorlu ci seen njàng euh, tey nag damay wax rek dama am mbégte parce que xale yi ma jaakaar lool mooy mooy muy ñuy doomu Ndiaganiao ñooy avenir u Ndiaganiao lu tax ma koy wax tout temps su may tourné fu xale yi nekk ci ndaje dama leen di nuyu nee leen mbaa yéen ngi jàng bu baax ñu ne waaw ma ne leen jàng leen bu baax xam ngeen lu tax dama bëgg bu ëllëgee ngeen raw ñu di dem di def lu ñuy def di jàppale commune bi ndax bu ñu jàngul woon lu ñuy def nii duñu ko mën bu ñu jàngul woon du ñu mën am ay doctorat bay dem am lu ñuy defal ñeneen ba ci bés bi tey bi kon xale yi xale yëpp ñi nga xam ne ñooy P tey continuer nekk P mais ñeen ñëpp aussi jàng nga xamne euleuk ngeen ñëwaat yeen ñëpp ñëw njaga ñaaw jàppale wa njaga ñaaw jàppale seen mbokk jàppale seen yaay jàppale seen bay baay dekk bi kon xalé yi toujours lool la leen di waxat tay di leen féliciter bu baaxa ba bu wéso loolu euh, IF mënuma wax té waxuma son excellence le président Macky Sall euh, gëdd bu mu jox éducation ak jàngalé parce que gis ngeen depuis bu mu ñëwé ñu def un programme de réservation des des abris provisoires Manam école yu bëri nañ parce que de bu ne légui bu bu màggee day bëgg ubbi école té bo démé rek IF jox la autorisation nga def mbar wala nga def lo mën commencer jàngalé yoy dafa dem ba bëri Sénégal président Macky Sall def programme bu reuy bo xamné mom la tuddee PRORAB pour di tabax ay salle de classe pour xalé di nekk ci ay endroit, yi muccu ayib je pense que programme bobu yeen mako gëna maîtriser té vraiment mu ngi tax ba école yu bëri ñu nga am ay classe yu nga xamné euh, ñu ngi génn ci abri provisoire tonte lépp mënul jeexandoo ndax dëkk Sénégal dafa rëy euh, am na aussi programme bu ñuy tuddee paquet paquet également pour jàppale école yi bu baax ci programme boobu IEF euh, déjà diggante daaw ak ren tabax nañ fi ñaar classe ak juróom-ñett tabax nañ fi cinq murs de clôture Tay suñu CM yépp am clôture té loolu yépp moy programme yi nga xamné ne la fi président Macky Sall teg tabax ay toilettes tabax ay bloc administratif yoy yépp mën nañ ko citer dañ koy cité lolu réalisation mairie bi la aussi mu ma leeral parce que état lu muy joxé ci souf diko jox mairie ba réalisation état moy réalisation buy jogé ci mairie mais buy jogé ci nguur gi kérok dañu toog ak président mu ñuy mais maire yu bari bu ñuy def bilan dañuy wax rek lu ñu def ci sen budget mais dañuy faté, li nga xamné day day ci kaw di ñew muy ci éducation muy ci ndox muy ci lolu yépp bilan boy def bilan population bi da nga leen ne lañ leen defal ci secteur bi

liggéey ci ak ministère bi euh, ministère de l'éducation liggéey ci aussi ak ministère de l'hydraulique kon lool aussi amna solo xalé yi di jang di fekk ay toilettes bu yu yu baax ñu fay dem ci loolu nak madar yi ngeen di gis paquet yi ñu ñu tek fi muy produit yi ak yële ci auto bi mom lañuy joxat école yi pour ñuy ak eau de javel pour ñuy mën di raxas douche bu baaxa baax pour xalé yi donc lool yépp pour pour njàng xalé yi ñu gëna nekk ci euh, ki condition yu baax bu weesoo loolu fourniture scolaire je pense def nañ ko daaw def ko ren def ci 8 millions fekkoon nañ ñu koy def mairie mais je pense que ñi nga xam ne ñooy codec yi gis nañ ni lu ñu fi doon def xëy yokk nañ ko bu baax a baax pour gën a jàppale njàng mi. pour wax rek du ñu taay ci affaire njàng comme ni ma ko waxee xale yi ñooy defar Sénégal fii mën na am président de la république ëllëg mën na am ministre mën na am député mën na am lépp li nit di nekk ci Sénégal moo tax aussi lépp luñ ci mën pour gunge leen pour ñu gën ko mën tamit duñ ci taay. nem rek fu mu ndem ngaar fo xole bayaan kor xangel waa giima ke a ngole capes ndaanam fo ges njeñaaw jenum rimel ndaam njombere ngeeño a ndam ngaag ñalle o dey teraanga seno a ndam ngaag yengol lo ke o ñi soxna bang